vendredi 6 octobre 2023. Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce dernier rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires en streaming sur notre site www.istudiokalangou.org. À la présentation, je suis Salamatou Kadri et à mes côtés, je suis avec Habib Ahmed. Habiba, bonjour. Bonjour Salamatou. À la technique, la régie est assurée par Issa Lawoli et à l'édition, nous avons Adama Dawaki et Khadija. Alors, euh, Habiba, rappelez nous le programme de ce vendredi. Salamatou. Dans cette édition, nous recevons comme invité l'artiste Hassan Adamou, plus connu par son nom d'artiste Diawan, du groupe des rap Block Escrew. Et comme chaque vendredi, vous suivrez la vraie vie de la presse du loti, du sport, de la culture linguistique et pour le cours des régions, nous ferons un tour dans la capitale des mangas, Adifa. Notre playlist d'aujourd'hui est bien costaud au style rap et traduit moderne de la musique nigérienne. Chers auditeurs, restez câblés, c'est parti. Sans plus tarder, voici le flash d'information présenté par Rukaitou Abdraman. Ruki, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Habiba, bonjour les invités, fidèles auditeurs, bonjour. Alors, le ministère français des armées, dans un communiqué le 5 octobre 2023, a annoncé le démarrage cette semaine du désengagement des militaires et des moyens militaires de la France qui sont stationnés au Niger. Cette manœuvre doit permettre le retour de l'ensemble des militaires en France avant la fin de l'année selon le communiqué qui précise que la coordination avec les armées nigériennes est essentielle à la réussite de cette manœuvre. Toutes les dispositions ont été prises pour que les mouvements se déroulent en bon ordre et en sécurité. Le 24 septembre dernier, c'est un rappel, le président de la République française, Emmanuel Macron, a ordonné le rapatriement des militaires déployés au Niger depuis dix ans en raison de la fin de la coopération militaire française avec le pays. Plus de 9000 tonnes de marchandises du programme alimentaire mondial PAM, y compris les aliments spécialisés pour le traitement et la prévention de la malnutrition destinés au Niger et au Burkina Faso, sont bloqués entre le Bénin et le Togo, a indiqué le PNUD. Cela fait suite aux sanctions imposées au Niger par la CDAO relativement aux événements du 26 juillet 2023. Le PNUD indique que le PAM évalue l'urgence et la faisabilité d'autres itinéraires de la chaîne d'approvisionnement pour accéder au Niger. Enfin, dans la nuit du 3 octobre, les forces de défense et de sécurité de Gaïa ont intercepté nuitamment sur le fleuve Niger une pirogue transportant trois véhicules de façon clandestine en provenance du Bénin. Cela malgré l'interdiction de navigation nocturne sur ces eaux. Les auteurs au nombre de six sont tous mis aux arrêts et remis à la justice pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, a déclaré le préfet de Gaïa, le capitaine Bouraima Seyni. Et c'est tout pour euh, ce flash d'information. Merci Ruki. Merci Rukaya. <laughs> Chers auditeurs, comme annoncé tout à l'heure, nous sommes ce matin avec Hassan Adamou, plus connu par son nom d'artiste Diawan, du groupe des rap Bloc Escrou. Bonjour Diawan. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour Diawan. Mais avant de vous donner la parole, je vous propose d'abord de suivre euh, votre titre. Le son, c'est Matata. On écoute, chers auditeurs. Je vais vous raconter une histoire de la fille du papa du quartier Liberté. On s'aime à la folie, de l'amour à la folie je veux la marier, on demande carré Sans papa, se le limam, sa maman vient de mec Et moi, le MC du quartier commente à chaque fois la télé. Donc pour eux, je suis délinquant, un délinquant sans diplôme, qui n'a pas d'avenir, un délinquant qui vit pas. Il ne jeûne pas, donc il ne sait pas, je suis quelqu'un de bien, qui peut aussi, qui fait ses cinq prières. Qui fait ses cinq prières, qui fait, qui fait, qui fait, qui fait ses cinq prières. Hollandero. Hollandero. 바람은대로 바람은 불난대로 생일째 마다다 가면 우와 인샤 lokacin sallah ya yi sannan ta ce mijina tukunya ta washe kwariya kashe da mi zan ba yi ruwan azumi ya zo tukunya ta washe kwarya ta ma ta washe da mi zan ba masoyi ruwan azumi ya zo ashe soyayya ruwa ce ruwan arziki ce

soya tace tashi ke bajawa ruwan arziki ya mata tace masoya tace tashi ke bajawa ruwan arziki ya zo nan de gero karamin dero Chers auditeurs, vous l'avez bien compris, Diawan est avec nous dans ce studio. Diawan, rebonjour. Bonjour, bonjour. À Mais tous, ta femme là, elle est chanceuse, hein? Matata, tu es bien quoi là <laughs> Matata, oui, Matata, tu <laughs> Tout d'abord, bonjour à vous tous. Euh, bonjour à euh, Studio Kalangu, euh, qui euh, donner l'opportunité de venir, de euh, m'exprimer sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci. Ça va merci beaucoup. ok, Diawan, qui est Diawan Diawan, c'est Hassan Adamou, connu sur le nom de Diawan. Et Diawan, c'est un nom de famille. C'est pas qu'un nom d'artiste réfléchi ou imaginé. Dia, c'est un nom de famille, c'est le nom de ma famille. Ah, Donc le One, je l'ai mis parce que dans toute la famille, je suis le seul artiste. Donc c'est pour cela que j'ai mis Dia One. Le One. Oui, c'est le One. Ça marche. Quel est le choix de ce titre Matata. Oui. Euh, c'est une histoire réelle qui m'a inspiré à chanter Matata au fait. Mhm. Une histoire de mon quartier mhm. avec euh, une fille avec qui j'ai eu une histoire vraiment qui allait plus loin. une histoire de quoi Mais... Euh, <laughs> une histoire d'amour. Voilà. <laughs> voilà. <laughs> qui allait plus loin et que voilà. Après, c'est t'approcher, Et dans la chanson, les parents, ils t'ont dit quoi Ils t'ont traité de quoi Parce que je viens, on ah. d'écouter, nous, tout ça. <laughs> Ils t'ont traité du rappeur du quartier. Bon, oui, bon, souvent, euh, on a tendance, tu sais, ici, chez nous, euh, néo, donc, tu es artiste. Bon, ici, des gars, tu es mal vu, au fait, quoi, tu vois. Donc, euh, surtout, là où ça fait mal, dans le cadre de bon Boreba, parents et de Mbono, quoi parce que c'est eux qui devraient nous regarder en bien, mais c'est eux qui nous regardent toujours en mal, parce que ils pensent que l'artiste, donc tu fais le hip-hop, rap, rap ou bien une musique, tu, yo yo, voilà voilà ninde manchao mante col bandino peut-être toi tu es qualifié de tout quoi sincèrement c'est ça dans notre société c'est ça qui fait en sorte qu'on nous regarde souvent et on nous refuse souvent des mariages oui. aujourd'hui, tu joues par passion. Oui, je joue par passion. Oui, voilà, il faut, et je me suis inspiré <laughs> vraiment avec euh, un vieux père, un vieux père de la musique nigérienne qui a fait marcher la musique nigérienne et surtout la musique urbaine aussi nigérienne. Et a fait le feu à l'Ajtaya. Le feu à l'Ajtaya, je me suis inspiré de lui parce que à chaque fois, quand je voulais faire quelque chose, je m'inspire toujours de chez moi. Parce que je me dis, pourquoi m'inspirer d'ailleurs ou bien copier quelque, part voilà. Au lieu de copier quelque part, vaut mieux copier de chez moi. Ou même si quand je veux faire, on va dire, ah, il a copié un tel, mais d'où De chez moi. Donc ça me du fera Niger, alors. chaud froid du, du Niger, au fait. Voilà. Mhm. Et hein. vous avez combien d'albums en carrière solo non, En carrière solo, je n'ai pas d'album d'abord, mhm. mais je suis sur mon album, sur mon premier album, qui va finir très bientôt, Inch'Allah. Ok, vivement ce premier album. Merci beaucoup. Parce que je vis dans vos sons, vous avez parlé aussi de Barmaï, Manga Barma. Manga Burma. Manga Barma. Manga Barma, c'est un son <laughs> que j'ai fait depuis 2012. C'est depuis 2012 j'ai composé le son. Le son est sorti depuis 2015, je pense. Et le clip à 2017, 2018, oui. Le clip est sorti en 2018. Donc euh, c'est un son qui a fait son parcours aussi. Et c'est un son que, dans lequel j'ai dénoncé, j'ai revendiqué aussi les droits. J'ai conscientisé aussi la jeunesse dedans. Dans ce cas, depuis 2012, vous évoluez en carrière solo, étant dans le oui, Étant dans le groupe, oui, mais en carrière solo. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Diawana. Chers auditeurs, avant de continuer notre deuxième partie, comme nous sommes vendredi, suivons d'abord la revue de la presse présentée par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Abiba Ahmed. Bonjour Salamatou Kadri. Mokhtar, départ des soldats français, nous serons attentifs à ce que ce retrait se fasse dans le respect de nos intérêts et selon nos conditions, assure le CNSP, titre en gros le site d'information nigérien Actu Niger. Et oui, Salamatou, dans un communiqué publié ce jeudi, les autorités nigériennes ont confirmé que le retrait des forces françaises stationnées au Niger va débuter cette semaine et qu'elles seront attentives à ce qu'il s'efface dans le respect des intérêts du Niger et selon les conditions qu'elles ont fixées, nous apprend Actu Niger. D'après le CNSP, le désengagement va commencer avec le départ des 400 soldats basés à Wallam et finir euh, d'ici la fin de l'année avec ceux stationnés à la base aérienne de Niamey. Un peu plus tôt, le ministère français des armées a publié lui aussi un communiqué dans lequel il annonce le début cette semaine du désengagement des militaires et des moyens militaires de la France qui sont stationnés au Niger. Cette manœuvre doit permettre le retour de l'ensemble des militaires en France avant la fin de l'année selon le communiqué qui ajoute que la coordination avec avec les armées nigériennes est essentielle à la réussite de cette manœuvre, rappelle le ministère des Armées françaises. Rencontre avec les forces vives de la nation. Le Premier ministre appelle le peuple nigérien à la vigilance, à l'unité et à la résilience pour une bonne sortie des crises, titre l'agence nigérienne des presses ANP. Et oui, le Premier ministre Ali Mohamed Lamenozen a rencontré mardi dans l'après-midi les chefs traditionnels, leaders religieux, acteurs de la société civile, chefs du quartier et responsables des forces de défense et de sécurité. Et, à ce fin, euh, et enfin, euh, d'échanger avec euh, ces derniers de la situation sociopolitique que vit le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, nous apprend l'ANP. À cette occasion, le Premier ministre de la Transition a appelé le peuple nigérien à plus de vigilance, d'unité et de résilience pour une bonne sortie de crise, car selon lui, et que la France, en complicité avec certains pays africains, veulent profiter de la situation pour déstabiliser le pays. Évoquant le cas des sanctions de la CDAO, Ali Mahaman Laminzen a indiqué que toutes les dispositions de médiation ont été, remplies ont été remplies et car selon lui, mais ne sont toujours pas revenus avec des propositions de levée de sanctions. En concernant la situation économique du pays. Il a également fait savoir que des dispositions sont prises pour faire rentrer les vivres par tous les moyens du côté du Burkina Faso. Entretien du président du CNSP, chef de l'État sur la RTN. Le général Abdourahman Tiani décline les objectifs de la transition, titre à Saïn, l'hebdomadaire l'indépendante plus. Selon le journal, l'exercice a pris deux heures d'horloge pour le chef de l'État qui a passé au peigne fin la situation actuelle du pays. C'était le samedi 30 septembre 2023. Dans un premier temps, il a éclairé la lanterne des Nigériens sur les raisons ayant conduit Beaucoup d'états en passant par la coopération entre le Niger et la France, la CEDEAO et aussi la situation socio-économique marquée par le comportement de certains opérateurs économiques ainsi que la lutte contre le détournement des deniers publics contrairement à certains de ses prédécesseurs qui, en pareille circonstance, préféreraient s'exprimer dans le langage de Mouliara, Le président du CNSP, chef de l'État, s'est adressé à ses compatriotes en langue nationale, plus précisément le Zarma et le Hausa, précise l'hebdomadaire L'Indépendant Plus crise nigérienne. Niamey clarifie sa position sur la médiation algérienne et rejette les conclusions hâtives dans les médias titre à la une du journal L'événement Niger. D'après le journal, alors que l'Algérie a indiqué dans un communiqué que le gouvernement nigérien a accepté sa proposition de médiation pour un règlement pacifique de la crise post-coup d'État, Niamey s'est dit surpris d'apprendre euh, dans les médias qu'il a accepté la proposition avec l'implication de six mois de transition. Dans un communiqué, le gouvernement nigérien a précisé dès le départ que la durée de la transition devrait résulter des conclusions du Forum national inclusif ainsi que l'orientation donnée pour un changement dans la gouvernance du pays, a-t-il précisé. Cependant, les autorités de Niamey se disent surpris de relever à travers les réseaux sociaux et certains médias un communiqué du gouvernement algérien indiquant que le Niger aurait accepté la médiation de l'Algérie qui a proposé aux militaires une transition de six mois. Le gouvernement de la République du Niger rejette les dites conclusions tout en réitérant sa volonté de préserver les liens d'amitié et de fraternité avec l'Algérie, clarifie Niamey dans son communiqué, conclut le journal L'événement Niger. Et c'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 6 euh, octobre 2023. Merci beaucoup, tout. Merci beaucoup, Mokhtar Hamadou, pour toutes ces informations. À bientôt. Chers auditeurs, c'était la revue de la presse. Poursuivons avec notre invité, Hassan Adamou, plus connu par son nom d'artiste Diawan du groupe de rap Bloc Escrou. Bonjour, monsieur Hassan. Bonjour. Parlez-nous de votre groupe de rap de, de, oui, bloc escroc. parce que tout de suite on vient de parler de Diawan. Oui, ouais, ça c'est un carré, solo, mais on est obligé aussi de, parler de, votre formation. oui, de notre formation, effectivement. Bloc escroc est euh, toujours bien, bloc escroc est toujours là, malgré, et on prend de temps souvent, oui, avant de faire sortir euh, des, des, produits ou bien de faire euh, des événements. Oui, effectivement, mais depuis 2017, euh, après notre vernissage notre deuxième, de notre deuxième album, Mundao, qu'on a verni ici au Palais des Congrès, et après ça, il y a eu le départ de mon partenaire euh, Yukon euh, de l'autre côté de l'Allemagne, là où il s'est marié. Aujourd'hui, il a avec deux, enfants. Ils sont même à l'heure actuelle au, Niger pour, ses, pour leurs vacances. Et voilà, maintenant. Et c'est vous qui, l'avez remplacé Oui, oui. Après son départ Après son départ, oui, je, l'ai remplacé euh, obligatoire parce que euh, Yukon n'est pas là, il ne faut pas qu'on dise que le groupe est dislogué ou bien le groupe est mort ou bien le groupe n'existe plus. Il faut assurer alors. Oui, oui. Mais maintenant qu'il est de retour, est-ce que vous avez d'autres projets Oui, effectivement. C'est pour ça même euh, et, dans notre partie, il est là au fait pour travailler sur des projets de notre troisième album parce que euh, on veut faire sortir notre troisième album du groupe Block Escrow et parallèlement aussi il y a l'album de Jawan et l'album de Yukon qui va sortir en solo. Trois albums alors. Trois, albums, en train de ah, voir, en train de voir <laughs> vraiment si les appuis peuvent vraiment nous accompagner à faire ce vernissage avec trois albums oui, avec trois emblèmes, pourquoi pas. Ok, d'accord, mais à part, euh, à part la musique, est-ce que vous avez d'autres travail hmm, À part la musique, oui, effectivement, j'ai étudié dans le secteur, moi j'ai fait la transitone. Transitoine, après j'ai étudié dans le logistique transport. un moment, j'ai commencé à travailler dans une société d'ici nigérienne, ici vers euh, niamey et je fais un an d'exercice. Après les un an, j'ai. Des stages ou bien Bon, des stages et d'embauchement en même temps. Et donc, un moment est venu, il y a le nouveau gouvernement qui est venu. Donc, ils ont beaucoup changé les directeurs. Donc, avec les nouveaux directeurs qui sont là, et nous, les nouvelles et débutants qu'on a engagés, donc, euh, ah ils quoi donc euh, ils nous ont un peu mis un peu à l'écart donc euh, en, attendant. depuis lors moi je n'ai pas exercé de travail ou quelque chose à part la musique mhm. et là quelles sont vos, plus grandes ambitions à l'avenir à l'avenir mes, plus grandes ambitions vraiment c'est de réaliser mes rêves au fait de, si que ce soit dans la musique ou dans le cadre de mon travail mhm. oui et quelles sont les difficultés rencontrées dans votre carrière musicale mm, Il y a beaucoup de difficultés, ça. Toujours, on le dit, les artistes, moi, mes frères artistes, nous, toujours, on dit, on rencontre nos difficultés. C'est pas facile, ça, c'est vrai. Ce qu'on est en train de faire, c'est pas que quelqu'un qui, qui, est en train de nous aider. Beaucoup nos Beaucoup nos nous, les côté clip, les côté Non, non, non. On se débrouille nous-mêmes pour gagner ces sous, pour aller au studio. Euh, financer le studio Irmbana, Clip T1. Nous tous, on est en train de faire ça, c'est parce que on, a, on est passionné de la musique et on est en train de faire ça pour des fans, des jeunes vraiment qui aiment ce qu'on est en train de faire, qui... Qui, adhèrent au fait ce qu'on est en train de faire, qui nous soutient à travers leur peu aussi. En un mot pour vos fans, quoi. Pour nos fans, quoi, voilà. Merci, merci, merci, merci beaucoup Diawan. Merci. de nous avoir honorés. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un acapella, un truc pour, euh, pour nos auditeurs qui nous écoutent quoi hmm, Ok, on va faire Matata. Ok, d'accord, on y va. Comme c'est votre préféré. Ouais, c'est ma préférée. <laughs> <laughs> Allez, on y va. Ma tata, Merci beaucoup, merci, merci beaucoup Diawan, merci. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé, l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger Circalangou se poursuit sur les ondes de nos radios partenaires. Aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat. Habiba, pour la rubrique entrepreneuriat de ce vendredi, notre envoyé spécial Hawa Ousmane nous amène à la découverte de l'activité de Madame Ramatou Issifi. Ils vend de l'eau glacée et du jus au marché hebdomadaire de Koigourou, un village du département de Dosso. Grâce à ces petits commerces, Ramatou arrive à joindre les deux bouts et même à épargner. On écoute.

ما كثر نتلا zamani sinara la na kulka yin kace da zan ko sin kace da nuri wallahi ga sabir ko sai ai ga sabal salam jama'a sai kan goga ino ke da gidan ai muka kanera so mun ga go fun go ka habora wallahi do sunai go go fun ai go go dumo wallahi alhamdulillah ai go kulko din ga dia sabu wallahi abu han kunno ni kalewo abu kunno ai ga ne wallahi dai kamo wallahi kina kai kande ai siyan dafu ai ga sabu ne bore sai ni wanda da yan haiwo buru gare ya kan kan bur foses kan bur foses o zamne lan da wai go giwo wara iwo bini sigidi tali kulara iwo hifani ni gogo keke kan gani musko ko wari borfoga asana igo kutunu more kan go giwo dimu isai fo bainu hun kun mai no gaba kaniya borga kaino irko mi dinise borga tunno irko mi dinise kan ko bun boda kenan nga asidu an bu bokan gono ka an tunu. ka kapata mora da matun ka kapata mora da funa mai no gangar fu to ni di wala so fiti na fayin kan nudu goyo wora wallahi duwara na fa kulki ne ai duwara ton tan zama ga fura da se dai na da sa ku ai ga duwala mani ze ai ga man tala da ga dai zo bure san ai ga jeri ai ga dai ta sai san ai kopi san ai ga jeri talka wa ai hinano Merci Hawa Ousmane, chers auditeurs. Faisons un autre tour en musique avec ce titre Espoir de Hakim. matin dans la rue, c'est nous, on a galéré. C'est Dieu qui donne un jour pour moi, va sortir du coup, je vais espérer. Ah, enfant de boss, c'est boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi, ça va sonner. Ah, ce sont les mieux les dans le bâtiment, Garagiste, puis boutiquiers, de et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Et ma mère, fait gérer ma famille, mais je suis fauché. Et puis de créer l'homme et la terre, il a créé le riche et le pauvre, je vois la lumière au bout du tunnel. Je dois payer mes dettes, plus le temps pour les fêtes. Et remplir la mallette, tu sais que la galère fait tourner la tête. Allez. On sera 6 heures du matin dans la rue, c'est nous, on a galéré dès donne un jour pour moi va sortir, du coup je vais espérer. Ah. Enfant de boss, boss, enfant de pauvre, ça galère. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ah, ce sont les taximans, les musées dans le bâtiment. Garagiste et puis boutiquier, vendeur d'eau et de condiments. Je sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé les rappeurs Je veux Hakim nous livre un message puissant à travers son art, rappelant à tous que la musique peut être un moyen puissant de transcender le défi de la vie. Une œuvre incontournable qui nous inspire à persévérer, peu importe les obstacles sur notre chemin. Hakim est actuellement l'un des jeunes artistes nigériens le plus écouté par la jeunesse nigérienne. On kiffe alors. Je suis un fils de pauvre, mais un jour pour moi ça va sonner. Ah, ce sont les taximans, venus dans le bâtiment. Garagiste et puis boutiquier, vendeur et de condiments sais d'où je viens, je sais où je vais, c'est calé. Je vais gérer ma mère, gérer ma famille, mais je suis fauché. auditeurs, c'était l'artiste Hakim. Direction le manga de la région de Difa où le phénomène d'enlèvement est devenu un sujet très préoccupant ces derniers temps. Presque chaque jour, des individus armés enlèvent des personnes contre des demande de rançon pour leur libération. Cela met beaucoup de personnes dans une situation de vulnérabilité. Notre correspondant Abdullah Mena Angmi nous en dit plus dans ce reportage. Écoutons. La situation sécuritaire dans la région de Difa reste toujours inquiétante, surtout avec des enlèvements contre rançon ne font que prendre de l'ampleur. À titre illustratif, dans le département de Ningimi, entre le mois de janvier et août 2023, 87 personnes, dont 68 femmes, ont été enlevées par des présumés éléments de Boko Haram, selon une organisation internationale intervenant dans la zone. A ces propos, les habitants lancent un cri de cœur. Matsalar rashin tsaron nan wannan mu abun ya sha mana kai. Yanzu shekara bakwai zuwa takwas da wannan abun da ya ki lahawa abun sai ya zo ya dan lahawa za a ce kuma sai ya tashi. Gari babu kwanciyar hankali. Gashi nan nan kawai ya kawai yange game wannan. In tashin hankalin ya tashi dole sai sun gudano cikin gari su zo su kwana. Kuma dauke dauken mutane ya yi yawa. Idan aka zo aka dauki mutum wani yana da abun hansan dan uwan shi wani bai da. Ba mutum guda ba abu gobe a zuwa kashe wannan a zuwa ɗauki wannan mutum shi abun ƙauyuka ba su jira bare yanzu har sun fara shiga cikin birni. suna ɗaukan wannan su ɗauki wannan su ɗauki wannan mu gaskiya abin nan yana ci mana tuwa kuriya. Mara mamadu acteur de la société civile de Ningimi, estime qu'une collaboration entre la population et les forces de défense et de sécurité est nécessaire. Wannan abin da ya faru abu ne na asha kuma abu ne wanda yake mai da hannu agogo baya tunda an fara mantawa ma da irin wannan tashi hankali ko ko ɗauke dauke ko hari hankali ya fara kwantawa a jihar nan cewar eh, lafiya ya zo wannan abun ya zo duk ya bata tsari kuma ya tsoratar ya firgitar mutane hanyar ma kamar ka abi shi amma duk da haka nan abu ko ya yi tsanani zai yi sauki tunda wanda ya yi wannan ma mun yi rayu kuma ya wuce muna roƙon allah muna fata kuma su samu kansu su zo cikin yaransu cikin koshin lafiya kuma cikin kalilan lokaci muna kira kuma ga jama'a da hukumomi da jami'an tsaro a mai da hankali kar a samu yakinin cewa lafiya ya samu a kwance da kaya a mai da hankali a dinga sa ido kuma a gani kuma a dinga bada labari in ba haka ba muka yi muka kwance da kaya za mu ji wata rana an shigo cikin gari ba ana dauke dauke kenan wannan abubuwan sai ba da labari sai mai da hankali sai kuma cuɗe ne cuɗe ka tsakanin hukumomi da jami'an tsaro da les populations de Ningimi estime que pour mettre fin à ces enlèvements, il est impératif que l'État et ses partenaires organisent des séances de formation de temps en temps entre la population et les forces de défense et de sécurité pour une très bonne collaboration. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Merci Amena Abdoulaye pour ces portraits chers auditeurs. Place à présent au page sport présentées par Adam Sariou qui est avec nous. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou. Bonjour Adam. Bonjour Abiba. Nous débutons cette page sport avec un mot sur la Coupe du Monde 2030 qui se jouera pour la première fois dans six pays et trois continents différents. Et oui, bien que cette Coupe du Monde 2030 de football sera co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, les trois premiers matchs se joueront en Argentine, en Uruguay et en Paraguay et la finale se jouera en Espagne. C'est inédit quand même. Hein. Adam, as-tu une petite idée pourquoi ce choix de stade pour les trois premiers matchs Eh bien oui, pour la FIFA, rien de plus beau que cette destination, là où tout a commencé, en Uruguay précisément, pour célébrer l'édition centenaire de la Coupe du Monde. Nous rappelons aussi que c'est la deuxième fois que le continent africain accueillera la Coupe du Monde après l'Afrique du Sud en 2010. Adam, terminons avec un mot de mercato sur le plan national. Eh bien oui, sur le plan national, nous, souhaitons nous, félicitons Maman Sani Saleh pour son contrat avec les électriciens de l'AS Nigelec. Et eh bien, pour rappel, le jeune attaquant du Telwa FC d'Agadez a été meilleur buteur du club la saison passée avec 16 buts. Toujours à Agadez, où le meneur de jeu de la Kokana FC, Maman Ali Lawali, rejoint l'Union sportive de la Gendarmerie nationale. Et eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci, Adam. Chers auditeurs, sur un tout autre plan à présent, Aujourd'hui, nous recevons un deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de notre portrait du jour à la personne. Il s'appelle Yak Tal. Il est le guitariste bassiste du groupe Tal National. Bonjour Yak. Bonjour Abiba. Bonjour Yak. Bonjour euh, Salamatu. Merci d'être avec nous dans ce studio. Merci aussi. Voilà, Yak. Mike Yak.

j'achète une guitare au car. Maintenant, j'ai bon, plus de 25 ans. Ara. Ouais, Inch'Allah. to songa ay min hade goyo kangaron goni gati a goni gin murada fe rin gogo duwa anafa a albarka wallahi alhamdulillah ay go duwa anafa gumo parce que goyo ra ay hiji ay gonde wonde hinka ay gonde izay ay gonde windi donc alhamdulillah vraiment yak kuna mm. jin dadin zaman cikin wannan kungiya na masu waka wallahi da ayyukan da kuke yi sosai ma sosai ma parce que vraiment na samu komi cikin wanga music vraiment na gode Allah na samu komi ina da matana ina da diyana ina da gidaje na kenan ka ci amfanin shi da kyau kore ma sosai ma vraiment sosai ma to wani irin masaloli da kuke fuskanta to masaloli ba a rasa masaloli duk abin kake nan gayi ba a rasa masaloli sai dai in masalolin sun ka zo a samu musu matakai sauri-sauri ko to a burdai no tal national group rano ni gona ga gitar kar so mm. ni ta za tal national rano ni na gitar dondon wala ni gu ni gitar wano ini san buga dan group ora man tal national don dondon, ai orkestro kar ai goro inda suleiman yaro non goro orkestro kan sigine malibero la greto oh donc wani bandino 2005 ayin tal national côtoyer Voilà, donc euh, c'est international à 2005. Maintenant, j'ai 23 ans. J'ai revu que c'est un international go Charbandi. À 2005. kenan yanzu ka saba da shi da kyau da kyau yakin gari Ah vraiment vraiment na saba da shi yanzu ko da kwana ka tada ne kana iya ko na kilima ina iya ce maka je pesa de la note la nigiti ni se kan wane nan gufi la Oh fu wa wa à fait. to halba ni gidira do ni fono irga bayir mahangan mm-hmm. do no dimo ai ga ai ga mani mayo a rayi gane la limousine manga yakubu wande voilà Toi, tu ben ben dono mai sai ne ka ai C'est ne in dono wote parce que entre nous on s'est fait des dédicaces mm. in tira et dir mana ta kirse ir ma ta c'est ir ma kani quoi hal baranga te bo ah, hal baranga te bo fosse tout à hmm. fait donc euh, musu te se dédicace euh, la limousine Bernard Mega hay magane fofo yakubu wande yani gani wanda no ma ya yani no ka cirse me irin fam limousine bakan sai a banda aisha tugono aisha ah, tugono masha Allah irin hangalla la sai <laughs> jay ay foso jay tu barikalla ay fokkilere sayedoro abubele abuganda garam marshe beti marshe to marasangai sayedoro margasen godoso ahi jeran doso adar hinta dhagni siri awwalna sirri fuullanni dhiira gabaa jira nayyoo ani mukoyyee ani muduyyee dhiizu ani

goborai kamar goborai koi hadiza ta tamamma hadiza sojai sojai wallahi sojai sojai yi ko sojai sojai kurin yawa ne Merci Tal National, chers auditeurs. Parlons de la fausse information. Les fake news sont de fausses informations véhiculées parfois pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité des victimes. Elles peuvent avoir plusieurs conséquences sur les plans judiciaires et moral. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la rubrique Loti, les femmes du studio Kalango appellent à plus de prudence dans les partages de nouvelles véhiculées à travers les réseaux sociaux. Rekia Arimi et Fanta Shamsou, écoute. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey, Matsukiji. Reina. ke rahina bismillahi me ke kwala mini kira haka hal gaba na ya haɗu me faru da ke ke dai yanzu duba wannan wayar duba ki ga abin da aka yi min cikin wani group whatsapp wacewa shugaban jam'iyyar pfk fitila yana na raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a gaskiya ce ku abin da kike faɗi waye aika miki wannan wasiƙa ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan kin ga mu 'yan adawa ne bar mu yaɗa wannan yashe kunnan kowa hat tara malama wannan labari bai da tushe a yi bincike tukwana tana yiwa sharri ne don ƙarya ce don me za a yaɗa shi don ɓata mishi suna wallahi ina jan hankalinki yaɗe yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci korafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo duka kuma Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don dakile laifuffukan yanar gizo dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani har ya kai a amshe kayan aikinka ma'ana na'urorinka da kake amfani da su hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni ho kawai in na samu masu ɗumi-ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutunan ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora. Wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban ƙare faɗakar da ke ba akan laifufukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida, da tarar da ta kama miliyon ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To ma sun yin shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke ni na ma daina amfani da WhatsApp whatsapp daga yau kuma zan cire shi daga wayata kin ga ba sai na yi ƙoƙarin aika wani abba <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da ba su dace ba aka ce aikar ki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan ya fi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni don allah ruwa mini asiri <laughs> haka ashe wani labarin ne da bai da tushe a'a bidiyon cikon shekara ta ne na sani ne ni kin tsorata Merci les filles pour vos conseils. Aujourd'hui, nous allons parler du grenier. Alamine est avec nous pour nous en dire plus. Bonjour Alamine. Bonjour Habiba, bonjour Salamoto, bonjour toute l'équipe. Euh, j'espère que vous êtes tous euh, branchés. Euh, en cette période de récolte au Niger, nous allons parler du grenier. Il sert à stocker les céréales, notamment les milles, culture principale du Niger. Selon les régions, les constructions des différents diffèrent selon les régions. Ils construisent un banco, c'est-à-dire de l'argile mélangée à de la paille, finement hachée ou entièrement construit en matériaux végétaux, c'est-à-dire en seco ou paille, qui repose sur un socle surlevé pour éviter les contacts avec le sol. On retrouve les greniers aux sorties des villages pour limiter les risques d'incendies domestiques ou dans les champs. في لقنا ويقلا نتماجق غرينير معناه ان تدنقوت تدنقوت دا تمر تانا هذا تموس التمر ان سيجياك هذا غدوتا كسنيتي دنا الرزع الحدمة نسن تاقي شي دنقوي تدنقوت تمرن الفايدتني انا غاسي توصن سو أرد ودي توكز دغر زغن توغوست فقلنا ويقلنا نيجر السيقتنا قاكنا نلي إجاسا أمو كوستا وقوت دون قوتين إجلاس الصفتين دغار ويقلن إيكلا فقلنا وهذا لانتو انتو تاقين نستلا تاسيري تتاوسر تا درموس هروادا فلقنا وهذا نتاوقو سلمو زيمان نتمدغ آقابل أرت إتيو صور دغين أرت ادا زيغدلنا دسنا مدال ارتن ويندا إجلاس الصفتين كلن فلن نكون يرد وقن المسالة كول تتوزت ملت أما راني توقع سنمون أستوقع دغماس نغرم شيداتا انتو قماد نغرم مدى يغدا توقو استيمانات نرارك نقولت نسستانا ودا ما مستم فنت تهنا تدنقو تا تاسا تاقسا تغسا التعامنك قرزين اللي ولا أبورا ولا رتنشيلات وينده انتني آه، فلزه تاع غزا اتغامنك مره مرتلر توزي آه، توزي دسان يو تدون غتان انت دو دات تكن نكو ينس فرغا من نسان ميد دني مان نتادي تاغا تاغا انت تستلا تاغا انت تسلمو ورتيلا ستورتنكي كان ناس تتجاود آه، الخدمتني ترزي تخشد ورتيلا زي دسان الخدمتني تمار انت تاغو دغا ما نغرم فلن كوديا قد ما دغا تقول واتزي دسان ارتي زورا كوي هندا Merci à la Merci Alamin, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir d'amples explications en anglais, en hausa, en germain, en tamashek ou même en fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64 au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. sunana abu nasir gaskiya dai studio kalangu vraiment mu muna yaba aikin parce que suna sensibiliser mutane sama ayyuka yau da kullum suna ba da kuma labari ko da yaushe gaskiya dai alhamdulillah ina gaida me yake ca mutanen duci surtout wa'anga ku la presse vraiment alhamdulillah mun gode kokarin da kuke nan gaba da muna gaida ku sunana jamilu bon ni ra'ayi ne aka bi gaskiya suna birge ni kwa kuske yanayin kama yadda ake kawo labarai kuma da langi da yawa ana fassara abubuwa dama da in baka gane ta wani wajen ba an yi ta wani waje kana ba. to ni gaba ɗaya al'umma dogon dutse ina gaida kowa da kowa da wanda ya sani da wanda ban sani ba da na kusa da ni da na nesa da ni kowa yana ba shi dubin gaisuwa da fata alheri sunana abdullahi mai daji ma'aikacin wurin jihar Studio Kalangu muna dan sauraron shirye-shiryen su. Ra'ayina shine shirye-shiryen nasu muna fatan su ƙara jirgin da shi. Su tun muna sauraron shirye-shiryen musamman matasa, musamman eh, taimakawa mata. To mu ra'ayin surutu sama matasa muke son a dan ƙara jirgin da shirye-shiryen. Su tun matasa mai Allah tun da mun gani yanzu matasa mai Allah masu ranar lalaca sun shiga wani harkoki wanda bai kamata ba. kenan ta hanyar radio muke son a samu shirye-shiryen da za a yi a episode civilization su sutu matasa illa kulma mun sun shiga shaye-shaye kenan shi ma a tarawar radio su cikin mun muna son a samu wani shirye wanda za a yi wanda matasa za su gane bai kamata ba muna gaida duka ma'aikatan wani jihar del da sauran mu da ke nan a da sauran 'yan fada nan tare da mu. barna mai o boya ya kuma wande ai ko eliza chaise fami si se chaise fami si se chia boka wallahi sojai sojai ai ko sojai sojai ai ko sojai sojai wallahi sojai sai ga dog ala bora. أهل بور هنجي بابا أي فوت أولو shirka tambara na ga gini buat lagi awal nasir buat lagi bila ya bacara nayo ani mu koye lora ani mu duye nizi ani chase so jaise ayi sama yana jaise mala hero musa moka auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Abiba Ahmed et moi-même Salamatou Kadri. La technique, nous avons Lawal Issa et l'édition est assurée par Adam Adonwati et accompagnée par Kadija Isaka. Ne ratez surtout pas l'actu de jeunes et tous à la FADA samedi et dimanche à partir de 11h sur les ondes de nos radios partenaires. Excellent week-end à vous. Bye bye.